Alors, alhamdulillah, Alors là, nous sommes maintenant, on est rentré dans la bibliothèque de l'université islamique. Alors cette partie quand même, à, à la base, c'est nouveau ici, mais la bibliothèque existe depuis la construction de l'université. Alors c'est sur le trois niveaux. Premier étage, là où nous sommes, à droite ou à ma gauche ici, à droite à vous, là c'est les livres aussi en langue arabe. Et à gauche de moi aussi, c'est les livres étrangers. Ça peut être la langue française, espagnole, ainsi de suite. Et maintenant, si on monte en au premier étage, en regardant quand même, il y a des, élèves qui font des recherches. Il y a les livres là-bas qu'on a possibilité de prendre, de réviser et après de laisser à sa place. Et au-dessus aussi, <clears throat> sur on il y a des savants comme Cheikh Albani, Cheikh Houmed, Jamia. Il y en a, ils ont laissé des livres là-bas. Ce n'est pas n'importe quel livre aussi qui reste là, uniquement pour les étudiants, que les gens peuvent bénéficier de ces livres-là. Là. Et puis, Alhamdulillah, donc ça, ça se trouve dans... Également, il y a des anciens euh, aussi qu'on trouve tout en haut. Je pense que vous verrez par la suite. Et si on regarde donc l'ouverture du matin, euh, de 8h du matin au 20h euh, au soir, l'ouverture de euh, la bibliothèque, Également aussi, si on regarde les livres, plus de 75 000 livres et les tomes, c'est, on a dit qu'un ah, Les tomes aussi, plus de 200, 000, 200 et quelques. 225 000 les tomes de livres. Hein. Il y en a, tu trouves les 5, il y en a, il est même plus que ça. Donc ça, vraiment, ça montre euh, qui la capacité déjà d'accueillir les livres et les livres historiques. Il a dit, il y en a quand même, ça revient depuis le euh, début, premier siècle. Donc ça, on arrive à voir ça quand même, c'est machallah. Donc on va essayer de monter après, de suivre comment ça se passe euh, le reste là. أيا طالب العلم قم لا تنم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم اليوم بقدر الهمم Donc c'est les Corans, ça depuis euh, depuis le premier siècle euh, de l'Égypte de Prophète sallallahu alayhi wa les, ces Corans. Hein. Et c'était par euh, la main qui euh, écrivait quand même hein, depuis en ce moment. Premier l'année de l'Égypte. Alors si on regarde normalement, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de fatha il n'y avait rien. À la base, à la base, c'était comme ça. Depuis le 1 euh, siècle. Non. Hein. Donc, premier, deuxième siècle et troisième siècle. Là, on arrive à voir le changement. Il n'y avait pas de point. Après, avec le point, mais c'est différent, ainsi de suite jusqu'à la fin. تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مدعو Ces deux endroits, on avait expliqué avant qu'il y, avait des savants. On a, on a nommé deux personnes où, si on regarde Maal Sheikh Ibn Humayd, Hafizahullah, et qu'Allah lui récompense. Lui, il est vivant encore. Il est dans la mosquée, il donne le cours là-bas encore. Et ces livres-là, -là, c'est lui a mis à la disposition des étudiants ou aux musulmans, les livres ici. Comme ça, si on en a besoin, on vient, on prend. Voilà, les livres. C'est-à-dire, on arrive à voir comment, alhamdulillah, pour faire des recherches. Bon, les, nombres aussi, si on regarde tout, c'est machallah, plus de 27 000 livres. Donc là, on arrive à, on apprend on fait des études de recherche, après on remet à sa place. Et le deuxième aussi, c'est celle de euh, Cheikh Albani, euh, Rahimahullah. Lui, il est décédé. Là, c'est fermé, mais ici. C'est Cheikh Albani, donc euh, c'est comme par aussi, mais ici, c'est ouvert. Il est connu, voilà. Donc les livres, il a mis, c'est comme Sarakat Diaré pour eux. on arrive à voir aussi, si un fils d'Adam qui dans ce bas monde, tous ses œuvres, s'arrêtent excepté trois choses. Parmi les trois, qu'est-ce qu'il allait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu as laissé derrière toi quand même des sciences que les gens, ils ont des bénéfices. Alors lui, euh, il est encore vivant, mais les gens, ils lisent ses livres, ils profitent de ses livres, de sa science. Cheikh Al-Albani, lui, il est décédé, ça fait des années, mais toujours on parle de lui. Surtout le hadith, si on parle le hadith, euh, on ne peut pas sauter de Cheikh Al-Albani, Donc c'est pour ça, les gens, ils disent, en regardant les trois choses que le prophète a dit, il a dit y a un monde qui coule, soit la science, soit un enfant qui fait doigt. Mais parmi ces trois, le mieux, d'après vous, c'est quoi C'est la science. Parce que l'argent peut finir. Un enfant, il peut oublier de faire doha à ses parents, c'est ça, ça arrive. Mais imagine la science. Hein? Voilà, ils vont s'arrêter. Mais par exemple, euh, la science. Les livres, on voit quand même les gens, ils lisent tout le temps. Et chaque fois que quelqu'un regarde euh, le livre, tu es récompensé au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça il faut que nous aussi on laisse quelque chose derrière nous. Quelque chose de bénéfique, hein? d'écrire, euh, financer, des étudiants ainsi Il y en a peut-être, il est disponible pour apprendre, il est capable pour apprendre, mais sauf qu'il n'a pas la possibilité. Donc le fait de faciliter à la personne d'apprendre, de financer quand même son étude, ça c'est des choses, euh, beaucoup de khair au niveau d'Allah wa ta'ala. On demande qu'Allah nous donne aussi la possibilité d'apprendre, de donner, de financer. après, Alhamdulillah le reste, c'est facile, là. Il comprend des livres, surtout les étudiants à certains niveaux. de doctorat voilà, recherche. Euh, et après, on ramène aussi, parce que c'est ça le Warfo aussi, que ben, c'est pas lu. Voilà. Jusqu'à 9 euh, tomes, par exemple, de faire les études. Et après, on dépose. Donc, il y a beaucoup de cas. Quand même, c'est réservé pour les étudiants ou les autres, Wallah. Bon, là, je pense qu'on a fait le maximum. Euh, ici, on va essayer de retourner si tout va bien, là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا لا لم يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في